Démarrons l'actualité internationale par l'Allemagne qui critique les mercenaires russes au Mali. Lors de sa visite à Dakar, le chancelier allemand s'est également exprimé sur la situation au Mali, envahi par Wagner. Scholz a critiqué la présence de mercenaires russes au Mali sur demande de la junte. Wagner opère impunément dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce groupe actif est connu pour ses interventions brutales à l'étranger cette situation est désastreuse. C'est pourquoi l'Allemagne a dû réagir, a déclaré Scholz. La formation d'unités malienne doit prendre fin. L'armée allemande reste toutefois impliquée dans l'opération de stabilisation de l'ONU au Mali. La la Bundestag ayant prolongé vendredi donnant les deux mandats pour les opérations au Mali et au Niger. Restons au Mali. Une famille italienne et un Togolais enlevés par deux hommes armés. Un groupe d'Italiens et leurs enfants, ainsi que ressortissants togolais, ont été enlevés dans la nuit de jeudi à vendredi à Silsika, dans le sud-est du Mali, une localité située à une centaine de kilomètres du Burkina Faso, pays où plusieurs Occidentaux ont été kidnappés ces dernières années. Après une visite au Sénégal, le chancelier Olaf Scholz attendu au Niger la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les questions économiques, énergétiques et sécuritaires en Afrique, tels ont été entre autres les sujets abordés par le chancelier allemand en visite au Sénégal. Dimanche 22 mai, Olaf Scholz et Macky Sall ont rappelé la nécessité d'un monde sans conflit ayant des conséquences globales. Le chef de l'État sénégalais a plaidé auprès du chancelier allemand pour une participation de l'Afrique aux grandes instances de décision. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. ñu tàmbali xibaari bitim réew yi ca Mali ca visite ba mu amaloon ca ndakaaru chancelier allemand bi di Olaf Scholz daal dina àddu ci réew Mali bi nga xamante ne Wagner moo fa ñëw samp ay ndëndëm Scholz daal dina ñaawlu ni mercenaire russe yi toogee ca Mali mu ngi xamle ne groupe boobee di wag na dafay amal ay intervention yu brutal nee na loolu sax moo waral Allemagne daal di réagir ba tey ci réewum Mali benn couple italien ak seen doom ak benn couple togolais lañ sàcc ci guddi alxames jàpp aljuma te Sinsita te nekk ca Mali te jege loolu Burkina Faso bi nga xamante ne occidentaux yu bari kidnappé nañ leen foofu ci at yi ñu génn. ginnaaw bi mu amalee visite ca Sénégal Olaf Scholz mu ngi ci ngir egg ca Niger guerre bi dox ci diggante Ukraine ak Russie lu soxal wàllum koom wàllum énergie ak wàllum karange nekkoon na ay poñ yu chancelier allemand bi doon waxtaan ak président Macky Sall ca Ndakaaru ci noone Macky Sall ak Scholz ñoo ngi doon ñaan ngir àdduna bi ba a am ay xeexoo ndax xeexoo yi li muy jur kenn xamul ni mu toll président Macky Sall daal dina plaidel Afrique ci chancelier bi ngir mu mën a bokk si ñuy jël ndogal ci àdduna wër wërngal këpp mbokk yi tey li moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew